Je vous présente le pasteur superintendant général, docteur pasteur, pasteur Koumoui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis tellement très content d'être parmi vous cette soirée. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour moi. Est-ce que vous êtes prêts, vous Vous, vous, venez à une place, à un lieu, une fois par, par an. Quand je, quand je prêche euh, une fois au Nigeria. Vous voyez, euh, vous voyez que je prêche euh, chaque jour, euh, chaque jour, presque chaque jour au Nigeria. Mais quand je viens ici, je dois prêcher, je dois prêcher une fois. Et quand vous, quand vous venez ici, vous voyez, comme je viens ici une seule fois par an, je dois prêcher. Quand je suis arrivé ici, j'ai besoin de trois heures pour vous. Mais je ne vais pas vous garder pour trois heures parce que vous allez venir ici au dimanche. Et quand vous venez au, au dimanche, vraiment, il faut être prêt quand vous venez au dimanche, je vais vous demander est-ce que il y a quelque chose de difficile pour Dieu Et je veux que je sais que la réponse viendra de Dieu. Et toute chose qui est négative dans votre vie sera ramassée, sera ôtée au nom de Jésus. Ce serait un moment tellement important jeudi c'est vendredi. Est-ce que vous, vous, souvenez de ce papier que je vous ai écrit Vous avez ce papier là ah, Merveilleux, merveilleux. Regardez, que je vous lis ça, on dit, ça veut dire que la vie profonde ou la vie, la profonde, la vie profonde, la vie profonde Rome. Rome, ça veut dire que nous sommes à la, capitale de du pays. Aujourd'hui, je vous parle du succès. Je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis aussi un professeur. Alors, je vais vous ouvrir la parole de Dieu, je vais ouvrir la Bible. Et si vous avez quelque chose vous avez quelque chose, vous avez un papier là-bas, il faut écrire tout ce que je vais parler. je vous parle, que vous, vous, je vous, vous parler de la voie du succès, la voie du succès, et je vais vous, vous allez, vous voyager sur la voie du succès, et je nous allons voyager ensemble, et vous allez y arriver. Je vais vous allez arriver. avant avant d'y arriver, vous devez vous préparer. Il y a quelque chose. Un élève est venu à un philosophe, un professeur, il voulait voulait avoir la connaissance et le succès, la sagesse que le philosophe a. il est venu au, bureau du philosophe, il dit, monsieur, monsieur, je te, regarde. Si je peux seulement voir ce que tu as, si je peux posséder ce que tu possèdes, ça, me, ça, ça me va. Comment aurais-je, comment pourrais-je voir ça le jeune homme était anxieux de voir la qui que son professeur a. Et son professeur, le philosophe, n'a rien dit à cet enfant et il a tenu la main de l'enfant, de, l'élève, il l'a envoyé à, une rivière. Il l'a dans la rivière et c'est un enseignement pratique. Et il l'a immergé dans l'eau. Il l'a immergé dans l'eau complètement et il l'a tenu sous l'eau et après il l'a amené en haut. Et le, gars, le jeune homme pantait, il pantait, il respirait vraiment, euh, il, respirait vraiment comme il devait mourir. Et il a demandé, qu'est-ce qui t'a fait quand tu étais sous l'eau là qu'est-ce qui s'est arrivé Il dit, hmm, ça n'était pas facile, j'ai voulu seulement être euh, euh, sorti de l'eau là et pour pouvoir respirer. Il a dit si tu peux désirer, tu peux désirer la connaissance comment la connaissance, là, c'est comme, comme tu désirais de l'air quand tu es sous l'eau, là, là, tu l'auras. Quand tu veux avoir la connaissance, il faut, il faut voyager un grand chemin. Mais si tu es dans, si, tu es ici dans cette, cette soirée-là, tu veux avoir la, la, connaissance, tu veux avoir le succès, alors, tu seras avec moi. Je ne suis pas là pour vous entretenir, je ne suis pas là pour vous faire euh, rire quoi là, mais je suis seulement pour vous tenir, pour que vous puissiez aller. Et ça va arriver, le sujet va arriver. Euh, cet, engagement, ça va arriver dans votre vie au nom de Jésus. Avant que je commence, je vais, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous, vous surprendre un peu. Voyez, voyez nous sommes pentecostales, nous sommes pentecostales, nous sommes des pentecostales, et n'importe où nous allons, n'importe où nous allons, et il a dit, oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Il n'y a rien mal pour ça. Mais voyez, je vois beaucoup de gens parmi nous ici, là, ils sont en bonne santé, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils ne, ils pas. Il y a les gens qui viennent, et disent ce que je veux, Seigneur, je veux la délivrance. Je veux beaucoup, je, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas de possession, mais ils, n'ont aucun démon. Ils sont délivrés, ils ont la délivrance, ils ont la, ils ont la, la, santé, ils ont la santé, ils sont forts, mais, mais je connais beaucoup de personnes qui sont riches, mais ne sont pas, ils ne, ils ne sont pas, ils n'ont pas le succès. Voilà, je vais vous amener au succès. Je ne parle pas de la, de la, je ne parle pas de la je ne parle pas de la santé. Bien sûr que je parle, je vais vous prier pour la santé, mais, mais vous devez, je vais vous envoyer sur la voie du succès et vous allez avoir ça. J'ai dit vous allez avoir ça. Alors, vous devez avoir euh, la patience. Vous voyez, je vais prêcher la parole de Dieu, je vais vous lire la Bible. Et vous qui êtes euh, leader, euh, désolé de vous parler, vous, vous voyez, vous avez besoin de ce, de succès-là plus que toute personne. Et moi-même qui parle, j'ai besoin de ce succès-là. Et vous allez voir quand je commence à vous parler et je veux que vous, je veux que vous écrivez les notes que je dirai, ce que je dirai. Et j'ai besoin que les leaders écrivent ça même plus que parce que quand les leaders deviennent, euh, succès, ils réussissent, leur membre aussi va se Prions et euh, remettons nous debout maintenant et prions. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions cette soirée. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu vas faire de grandes choses merveilleuses dans notre vie, dans la vie de tout un chacun de nous aussi, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que quand on va dans cette voie, dans, cette, euh, ce voyage, que toute personne assise, cette personne ici, nous y arrive au nom de Jésus. Papa, un, grand, un grand succès, un grand succès donne à tout un chacun de nous cette nuit au nom de Jésus. Papa, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise, euh, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Et si vous utilisez la Bible King et la Bible King quand nous parlons, on voit avec le, mot succès, toute, la Bible, ça vient une fois seulement. Le mot succès, ça vient une seule fois. Le mot succès, ça vient seulement une seule fois. Toute la Bible, c'est toute la Bible que nous utilisons ici. Dans Jésus dans Josué chapitre 1, dans chapitre 1, le verset 8. Il dit quoi Ce livre de la loi ne partira pas de ta bouche. Mais, et il dit encore, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer et agir selon tout ce qui est écrit. Car alors tu rentreras prospère ton chemin et alors tu réussiras bien. Tu auras quoi Le succès et là tu auras, tu Et tu, tu réussiras bien. Il dit que quoi Cette voie site Et vous allez, vous allez méditer sur cette voie-là. Et jour et nuit. Et il dit encore. Il dit ça, seulement en cette voie en cette, en cette voie-là que vous pouvez, vous pouvez faire votre voie pleinir Vous allez avoir, vous allez avoir quoi Et vous allez avoir une bon, un bon succès. Et aujourd'hui, je vous parle de, quand je vous parle de succès, je parle de quelque chose que tu dois faire. Parce qu'il dit que tu dois observer, tu vas observer et tu vas faire selon ce qui, est écrit. Et tu vas méditer. Tu vas tourner ça dans ta tête, dans ta pensée. Tu, dois, tu vas y constater, tu vas y remarquer, tu vas analyser ça et dire bah, si tu vas faire ça maintenant. Et si donc si fais ça. Et tu auras un bon succès alors je parle, je vais choisir trois personnes de la Bible. Et sur les, ces personnes-là, ils ont passé tout la même voie. Et on va voir comment ils ont arrivé à pouvoir passer sur le voie et arriver en haut. Comment ils sont devenus et prospérés. Comment ils ont prospéré. Comment arriver qu'ils ont arrivé à la voie du succès. Ils ont réussi. Et comment ils ont eu ces choses-là. Et je, je le titre les trucs comme euh, Payer le prix du succès. Payer le prix du succès. Donc, aujourd'hui, vous devez être capable et voulant de payer le prix. Je vois trois personnes ici. Aujourd'hui, je parle de. Premièrement, je parle de Joseph. Vous avez compris ce nom-là Vous avez compris ce nom-là une fois Il y a beaucoup de. Il y a, beaucoup de Joseph il y a beaucoup de Joseph dans la Bible, mais je vous parle du premier Joseph. Numéro 2, je parle de Josué. Josué. Et numéro 2, je parle, numéro 3, je parle de Jabez. Et ces trois personnes-là, ils ont eu beaucoup de choses à nous dire. En, effet, il y a quelqu'un qui a dit que si, si nous, ce que nous pouvons faire, c'est nous devons marcher sur les pas, de, nous devons marcher sur les pas de ceux qui, qui, ont, qui nous ont avancé. Le premier, c'est Joseph. Et je vois comment il a mené sa vie je vois comment les, ces persécutions, les, les, comment les, les, restreintes, comment toutes ces choses l'ont empêché. Mais il a pu marcher, il a tenu Dieu et il a Et je vois, je demande, je dis à Joseph, viens, viens, marchons ensemble et on va arriver à cette place de succès au nom de Jésus. Nous, si, nous, si nous parlons de quelqu'un, quand nous parlons de quelqu'un qui a eu des conflits et des problèmes, ça, on parle de, Jésus. Euh, de, Josué. quand il est sorti du désert, et Dieu l'a dit, Josué, tu vas maintenant, c'est toi maintenant qui vas marcher dans les pas de Moïse. Quel, grand défi. Et il dit, c'est toi qui va préparer les enfants d'Israël au, pays, euh, au pays choisi, à, à, la, terre promise. C'est toi qui vas diriger les, les, les peuples. Et c'était pas facile. Et là où qu'ils vont aller, dans cette terre promise là, la, terre là, c'est pas facile. Il y aura des, il y aura des, des, des, des, problèmes, il va, il, va, il va conquérir, il y aura des guerres, il y aura des conflits. Hein. Comment il a fait pour pouvoir euh, arriver Comment il a pu, il a pouvoir, enfin, je lui demande, euh, euh, je, lui demande, Josué, donne-moi, donne-moi, comment tu veux le faire et quand je le marche, je dois, je dois payer le prix avant de le faire. Ça Numéro trois, 3, je parle de Jabez quand Jabez, Jabez a une, euh, une histoire familiale. Et Jabez pourrait, pourrait dire que voilà, regarde, euh, mon, regarde euh, mon, le fonctionnement de base, regarde mon engagement, regarde ma famille, regarde le fond de ma base, regarde ce qui s'est passé, regarde les fondement. Je vois qu'il n'y a rien. Il y avait, ça peut être qu'il y avait un champ, il y avait un médecin, il y avait quelque chose qui était fait dans la famille. Il dit que je ne suis pas comme ça. Mais il a dit, moi, je ne serai pas comme ma famille, je ne serai pas comme ma famille, je ne serai pas comme mes parents, je ne serai pas comme mon père, maman, je serai différent. Ils n'ont pas pu arriver que ce jour, je vais faire, je vais me défier, je vais prendre la décision d'arriver. C'est la même chose que je vous amène cette soirée et je vous dis, si vous prenez une décision et vous dites, je vais arriver là où mes parents n'ont pas pu arriver, je dis que vous y arriverez. Et ma, ma, ma joie, c'est que je, quand, la, moment, le moment où je vous verrai une fois encore, l'autre fois que je vous voyez, vous serez dans l'autre point. Et vous allez que, parce que vous l'avez dit, maintenant je suis maintenant à un autre lieu, à un autre niveau. Et si maintenant vous devenez quelque chose, Dieu peut le faire, il va le faire encore. Et maintenant vous devez marcher avec moi. J'ai trois points. Moi, voyez, quelqu'un quelqu'un quelqu'un dit que moi, je, euh, le passé vient de dire que moi, j'aurai trois points. Le premier point, Joseph, Joseph, la voix du progrès. Joseph, le, Joseph, la voix du, Joseph, le, la voix du progrès. Et nous lisons Genèse. Genèse, Genèse, Genèse 39. Genèse 39. Genèse 39. il a dit que Dieu, Dieu, était avec lui. Et Dieu était avec lui. Si nous devons, si nous devons arriver, si nous devons arriver à, cette, à ce lieu à, de progrès, indiqué, et nous avons que Dieu était avec nous et Dieu est avec lui. Si nous devons marcher avec Dieu, nous devons avoir Jésus à nous et nous devons avoir Jésus à nous, nous devons marcher avec lui. Ça demande que nous devons être avec Christ, nous devons marcher avec lui et c'est lui qui va nous tenir la main et nous enlever en haut, nous élever. Et c'est lui. Et tout ce que nous avons faire, nous allons faire que notre fondement soit sur Dieu et vous venez à Christ et vous êtes resté en Christ et vous vivez en Christ et, et lui qui va vous marcher avec vous. Et Dieu est avec lui. Et le Seigneur était avec lui. Et il a fait tout ce qu'il a fait qu'il a. Et Dieu a fait tout. Dieu a fait tout ce qu'il faisait de marcher. Voyez. Et dit, est-ce que Joseph était, prospérant? Oui. Est-ce que tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il a, il a prospéré? Maintenant, je parle maintenant, je vais rentrer dans l'histoire de Joshua avec vous. Et vous devez suivre. Premièrement, je parle de la promesse de Dieu. Premièrement, la promesse de Dieu pour Joseph. Il, il grandissait. Vous voyez, en ce moment, on n'avait pas. En ce moment, en ce moment il n'y avait même pas la Bible. En ce moment même, la Bible, Genèse n'est pas encore écrite. En ce moment Dieu même pas encore. Genèse n'a pas encore été écrit. Et, et en ce moment, si, nous, si on doit grandir, si, devons, si, tu dois prospérer, il y a une promesse, une mot. Et il commence à donner aux gens. Il dit, comment vous pouvez vous imaginer, cette nuit-là, j'ai eu un rêve. Et Dieu m'a montré que vous étiez là, que vous, tous, vous, vous, avez, que moi j'avais, on avait des gerbes. Et tous vos gerbes sont tombés et moi j'étais là j'ai vu que toutes les étoiles au ciel se, se prosternaient devant moi. Premièrement, je parle de quoi La promesse de Dieu. Quand, il les a dit, ils n'étaient pas contents. Numéro 2, on parle de la, persécution pour la piété. La persécution pour la piété. Quand vous voulez aller à Dieu, quand vous voulez marcher avec Dieu, vous n'allez pas échapper à la persécution, vous n'allez pas échapper à la discussion. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Il y a des gens qui vont vous embarrasser. Il y a des gens, ils vont vous insulter, ils vont vous abuser, ils vont vous diminuer, ils vont réduire à rien. Et ils ne vont, ils ne vont rien et ils ne vont même pas laisser que vous pouvez y arriver en haut. Ils vont pas laisser que c'est sûr. Je connais beaucoup de personnes qui sont tellement contents. Ils étaient contents au commencement de la vie, au commencement de leur commencement. Ils disaient, je serai ceci, je serai ceci, je serai cela, je serai cela. je vais devenir ceci là Et ils ont, ils ont, et, et, et ils avaient quelqu'un qui suivait. Ils avaient quelqu'un, ils avaient quelqu'un qui suivait. Ils avaient quelqu'un qui suivait et cette personne-là, il dit que moi, je serai comme. Il dit, il moi, je, vais être comme cette personne-là. Je serai comme cette femme-là. Et une petite pression arrive, une petite persécution arrive dans leur vie. Et maintenant, ils laissent, ils abandonnent ça. Ils disent que maintenant, si je crois que tout le monde va me, supporter dans mon rêve. Je crois que tout le monde va supporter mon plan. Tout le monde va supporter mon but et ma vision et mon ambition. Mais et tout le monde est contre moi. Moi, je vais laisser ça. Je dis que toi, tu ne vas, tu ne vas pas laisser ça. La persécution va arriver. Et la persécution va même pas venir sur ta vie chrétienne. La persécution va venir. Et si tu vas, tu vas dire que je vais rester avec Dieu, tu seras bien. J'ai dit, tu vas rester Dieu, et avec tu c'est bien. Et c'est le secret, c'est le secret de ce, de ce de ce tombe Joseph. En numéro 3, je parle de quoi? Je parle de l'association, l'association, l'association de Dieu, l'association avec Dieu. il y a la, mes, mes, mes, ententes, vous, vous, allez suivre avec Dieu. Vous Joseph a toujours avec Dieu on l'a mis dans le puits, on l'a mis dans l'abîme, et il s'est enlevé, il a dit, et dit, le, va dire, je ne sais pas pourquoi c'est cela arrive, moi je sais que je, je, continue à Dieu, je reste à Dieu, je suis à Dieu. On lui a vendu maintenant dans la maison de Potiphar, il dit, Dieu, je vais continuer à te servir. Et il dit, euh, malgré toutes les persécutions qu'il a arrivées, il a dit, moi je vais suivre de Dieu je serai en partenariat, je serai en association avec Dieu. Je ne vais jamais, je vais aller devant et j'ai décidé de suivre Jésus et je ne, je ne jamais les, amis me peuvent me, détourner, les amis peuvent s'arrêter sans me poser, je ne vais jamais me détourner. Et tout ce qui me, les gens, n'importe quoi, que je mets le monde derrière moi et je mets la croix devant moi. Et si tu peux prendre cette décision toi-même et tu vas dire, moi, je vais rester et avec Dieu, je vais m'associer avec Dieu, je serai en partenariat avec Dieu. Cette grande, ce grand succès-là sera pour toi. Numéro 1, on n'a pas de quoi. Numéro 1, on n'a pas de quoi. Numéro 1, on n'a pas de quoi la, promesse de Dieu, numéro 2, je pas de quoi, hein? la persécution pour Dieu, la, pour, la, la piété, numéro 3, La cessation avec Dieu, et la purité, numéro 4, la purité, la pureté par la grâce, numéro 4, la purité par la grâce, et c'est quand vous allez avec Dieu, il y a une, une faveur, il y a une grâce, et la femme de Potiphar et la femme de Potiphar a voulu séduire Joseph. Le mari n'était pas à la maison et cette femme là cette femme, cette demoiselle-là, cette demoiselle-là, elle était là, elle, euh, elle enviait ce, tombe là Et, et, et, elle voulait avoir une relation. Elle dit, elle dit, elle commence, elle dit, elle a, elle, elle a, elle a voulu, elle, elle, elle, est partie auprès de Joseph. Elle a dit, Joseph, Joseph, Joseph, est-ce que tu connais une femme comme moi Est-ce que tu as une, est-ce que tu, une fois rencontré une femme, une femme comme moi Est-ce que Joseph, tu veux que, tu veux qu'on fasse quelque chose Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose avec moi Tu veux faire quelque chose avec moi voyez, quand tu es destiné à avoir quelque chose, tu es visagé à voir quelque chose de grande. Tu, tu, tu es là, tu es destiné à une grande chose. Oh, tu vois tu ne dois pas parler. Il y a, tu il y a une parole, il y a une manière que tu vas adresser ta, ta langue. Il y a des choses que tu ne. Ceux qui veulent aller en haut, c'est, il y a une. Euh, bien sûr que, bien que je n'ai pas encore y arrivé là où je suis là, mais je commence à vivre comme là où je vais arriver. Il reste pieux, il reste euh, pieux et il reste et ils ne vont pas faire des péchés Est-ce que vous suivez, est-ce que vous suivez ce qui, ce qui viennent de, au, travers, de, travers euh, on vous parle des nouvelles, on vous dit, il dit que je vais devenir le président, on veut devenir le président de la République, je vais devenir le président de la République de Les gens voient les gens étaient là, ils écoutaient ils avaient le désir, ils avaient le désir, avaient le désir de devenir un président. La personne avait le désir de devenir un ministre. Il avait un désir de devenir. Et ils étaient là et les choses qu'ils faisaient, ils vont là, ils font ça, ils font ça. Et vous voyez, il y a des choses, des choses qu'ils n'ont pas. Quand ils sont arrivé dehors, ils commencent à parler d'apparence, ils commencent à dire ce qu'ils vont dire, parce qu'ils disent qu'ils vont devenir des présidents, ils vont devenir des choses. Et les journalistes entendent, ils commencent à publier ça. Et les choses, ils disent que moi, maintenant les gens m'insultent, je ne peux pas continuer. Et quand ils regardent, là, ils ne peuvent pas arriver maintenant. Numéro 4, la pureté par la grâce. La pureté par la grâce, ils sont contre voix Et et Joseph n'a pas fait ça. Il a refusé ce que la femme a fait. Et un jour, c'est quelque chose s'est passé. Et il n'y avait personne dans la maison. Et la femme, elle a attrapé, elle a attrapé le Joseph. Il dit, quand il parle de Joseph, il dit, toi, tu dis que tu ne vas, toi, tu ne vas dire. Quand je te dis qu'on va faire quelque chose, toi, tu dis, tu ne vas pas faire, tu ne vas pas faire. Aujourd'hui, tu le feras. Aujourd'hui, tu le feras. Aujourd'hui, tu vas le faire. Vous connaissez vous, cette, cette histoire-là. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a fait quoi Il a laissé sa chemise. Il a laissé la chemise. Il a fui. Quand vous, c'est mieux de laisser votre chemise et garder votre vision. C'est bien de laisser votre chemise là-bas, là, et pour arriver au haut. Je dis que vous irez en haut je ne veux que je ne veux pas quelque chose me dérange me, dévie de ma vision de ma voie de là où je vais y arriver je ne veux pas que je ne veux pas que quelque chose vienne me détruire et que la, chose vienne et qu'elle détruise ce que j'ai besoin de faire alors pense à ton but pense à ton à ta vision pense à ta, la place où tu veux arriver et la, la, la femme a crié elle dit regarde cet homme là regarde ce jeune homme là elle a, la femme la s'est énervée, elle a commencé à crier, elle a voulu faire des bronches, elle dit elle a voulu faire des choses. Il, veut dormir avec moi. Il veut faire des choses avec moi. La femme a fait comme ça. La femme a menti. Et on est venu attraper Joseph. Et on l'a amené dans la prison. Joseph ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas expliqué. Je regarde Joseph maintenant. Je dis, ah, comment, euh, comment, il dit, ah, comment Joseph va, comment va, va-t-il réagir? Comment il va faire? Joseph était dans la prison. C'est là-bas, il était dans la prison et Dieu l'a, donné la promotion. Regardez, je vous demande pour n'importe comment. Si vous êtes dans la prison là, il y a une raison pour laquelle Dieu a laissé que vous ayez dans la prison. J'ai dit, vous allez, vous allez apprendre quelque chose avant, vous allez apprendre quelque chose là-bas avant de sortir de cette prison. Et les gens là-bas, et, et, et il y avait quelque chose qui s'est passé, il y avait un rêve qui est arrivé. Et le, le, le, roi ne peut et personne n'a pu interpréter ce rêve là. Et tout le monde. Et maintenant, et maintenant, il, il a il a envoyé Joseph et Joseph est parti. Il a dit que donne-moi donne moi donne donne le rêve et je vais, je vais interpréter le rêve. Et il a interprété le rêve. C'est là-bas sa promotion est venue. Numéro 6, l'interprétation des rêves. L'interprétation, quand vous êtes fatigué, continuez à faire du bien. Quand les gens vous opposent, continuez à faire le bien les gens, les gens ils regardent, les gens ils sont faibles, les gens ils disent je je vais cesser de faire le bien parce qu'on m'oppose. Ils cessent de faire le bien parce que passent beaucoup de choses. Et on passe pas beaucoup de choses. Ils souffrent. Les la personne, la personne qui, la, regardez, la, personne. La, la, qui, euh, qui, il a eu, la personne qui a eu un rêve, il a dit à Joseph, et Joseph a fait l'interprétation de cette rêve-là. Quand vous souffrez, quand vous souffrez de la, de, si vous souffrez de la persécution sur ce qu'on appelle la bonne chose, continue. Persévérez la persévérance dans la bonté, la persévérance de la bonté, la personne de la bonté. Et continuez comme vous devez persévérer, persévérer dans votre, dans votre idée, dans, votre engagement. Persévérez dans votre engagement. Dans ce numéro 6, persévérez dans votre engagement. Tu vois n'importe Il a eu un engagement. Il a dit n'importe quoi. C'est une Une seule chose, je dois, une seule chose que je, regarde à, une seule chose que j'ai envie de faire, une seule chose que je dois faire. Si vous avez un homme, vous avez une femme, vous êtes une femme, vous êtes un homme qui a beaucoup de temps tant de choses dans votre tête, et vous dites ce que je dois faire. Ça, ça, ça dans votre tête. Et ça vous fait que vous dites que je, je suis en vie maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je suis en vie maintenant. Si vous n'êtes pas comme ça, vous n'allez jamais achever, vous n'allez jamais achever, achever, achever vous n'allez jamais achever quelque chose. Vous allez dire que, on va vous dire que, on va dire que master de tout, master de tout, master de tout, bricoleur de tout, master d'un, master de rien. Vous, allez, vous, ne, vous ne devez être bricoleur de tout, mais vous devez être master de tout. Là, et maintenant, quand c'est passé, le rêve là, et personne n'a pu interpréter le rêve à Pharaon. Et maintenant, on envoie Joseph. Joseph a fait quoi Il a interprété le rêve à Pharaon. Et maintenant, c'est là-bas ça son, progrès est arrivé. C'est là-bas son succès est arrivé. Et Dieu l'a prometté. Et là-bas, il a la promotion. Il arrive. Les gens qui n'ont pas de rêve, les gens qui n'ont pas de rêve, ils n'ont pas une destination. quand vous les voyez, en, après 17 ans, ils sont la même chose. Quand vous les voyez, euh, comment ils étaient à 17 ans avant aujourd'hui et arrivent, ils sont la même personne, ils sont de la même personne. Mais quand vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Les enfants, même ses frères, quand ils sont venus ils, ils ont vu, ils ont vu Joseph en, en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Joseph était changé. Votre rêve va s'accomplir si vous n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, ne décrochez pas, continuez à suivre Dieu. Vous n'allez pas abandonner ce que Dieu, parce que vous l'aurez au nom de Jésus. Et voilà, ils sont venus pour le et dit, oh Joseph, on se rappelle ce qu'on s'est passé. Nous sommes désolés, désolés, désolés. Il dit, ne vous dérangez pas. Vous, c'est Dieu qui a envoyé, qui m'a envoyé ici pour que je, je prépare la bonne chose. Numéro, numéro 7, numéro 7, euh, gloire à Dieu. Numéro 7, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez, les choses que vous vouliez, maintenant vous êtes là-bas. Ce que vous voudrez, les choses que vous cherchez, maintenant Dieu vous l'a donné. Qu'est-ce que vous devez faire Glorifier Dieu, exalter Dieu. Elle, Dieu l'a amené en haut. Quand, je parle de la deuxième personne, la deuxième personne qui Je parle de Josué, Josué. Josué maintenant. Tout le monde dit Josué. Merci beaucoup. Et quand nous regardons, et nous allons que ça ne je vais couper ça. Moïse était le dirigeant des peuples d'Israël et, et était seulement un ministre, un serviteur. Et Dieu lui a dit, et Dieu a dit, Dieu a dit Moïse que je t'appelle, ah, tu vas mourir. Et il dit que maintenant, ils n'ont pas encore conquis les, les ils n'ont pas encore possédé euh, euh, la, terre promise. Il dit à, euh, Moïse dit, ah, qu'est-ce que, comment on doit faire Il dit, non, faut pas t'inquiéter, je vais t'appeler, tu vas mourir, mais je vais choisir Jésus pour le faire. Dieu va le faire avec toi. Et même, euh, rappelle-toi que ça doit être dans la main de Dieu et c'est Dieu qui, tu vas être dans la main de Dieu et c'est Dieu qui va te, qui doit, tu dois, qui te guider. Dans Jésus chapitre 1, Jésus chapitre 1, Jésus chapitre 1, le verset 7. Jésus chapitre 1, le verset 7. Et euh, verset 7. Et verset 6, il dit, sois fort et prends courage, car, euh, sois fort et prends courage, euh, il dit maintenant, prends verset 7, il dit seulement sois fort et très courageux. Verset 9 maintenant, il dit ne t'ai-je pas, ok, ne te laisse pas commander, sois fort et prends courage, n'aie pas peur et ne sois pas infi, intimidé, car le Seigneur ton Dieu est avec moi partout où tu iras. Verset 18 verset 18 maintenant, la partie B. Verset 18 est partie B. Et suis seulement, seulement, sois fort et prends courage. Est-ce que si je dois, je dois monter, si je dois monter en haut, si, je, dois, euh, je dois traverser tout l'océan, euh, océan, si je dois euh, traverser tout, je dois défier tous les Canadiens qui sont devant moi, qui sont devant moi jusqu'à la, pour la, pour la voie, pour le succès numéro un, je dois avoir quoi? Le courage, le courage. Sois, soit fort et courageux. Et quand nous parlons de, courage, qu'est-ce que c'est quoi la couleur courage Les gens disent que courage, c'est sans, la peur. Vous voyez que les gens courageux, les gens courageux ont certaines personnes, certains courageux, ils peuvent avoir la, la peur, mais ils ne donnent pas penser à ça. Vous voyez, ça ça ne veut pas, ça ne dire que la, la peur n'est pas là. La peur y est, mais vous, vous, vous méprisez la peur là vous, vous, vous, et vous la peur, la peur en train de vous panter, c'est en train de vous toucher. La peur vous dit que tu crois que tu es qui La peur te dit que quoi, qui tu es, qui tu crois que tu es, toi tu es qui, toi que tu es quoi La peur te dit cela, mais que tu, pas, tu n'écoutes pas la peur, mais tu continues, tu persévères, tu es conscient et tu ne regardes même pas, tu omets cette peur-là en toi et tu continues. Et les gens, la peur te dit que toi tu ne vaux rien, la peur te dit que toi tu ne fais rien, tout ce que tu vois. Mais il faut te lever et te dis moi je suis ceci, je suis ce que je suis, c'est moi qui suis Et quand vous regardez les gens, et vous regardez les gens face à face, et vous leur parlez, et vous leur dites que Dieu a dit ceci, que moi je vais y arriver. Regardez, tout le monde va se tout le monde va disperser devant vous. Numéro 1, de Josué. Pour numéro 1, de Josué. Numéro 2, c'est le courage. J'aime vraiment ce Josué. En ce moment, en ce moment il n'y avait pas de col. Il n'y avait pas de col. Il n'y avait pas de col. Mais il, il, et à euh, ce moment-là, les gens ont dit, ah, comment, comment tu peux avoir cette terre-là pour faire sans investigation, sans, si, tu veux être un succès, tu veux être un, un, un, tu veux reçu dans ta vie, alors, il faut avoir des recherches, il faut faire des investigations, il faut avoir des informations. Information, c'est vraiment important. C'est tellement important dans, notre ère, dans notre ère là maintenant des de, de data, des informations, des données. Nous devons, il faut aller faire des informations. Qu'est-ce, euh, comment est cette terre là Numéro 3, on parle de quoi de la, compagnie, la compagnie, l'association. L'association, il faut avoir une, un partenariat, il faut avoir une association, il faut avoir un but, il faut avoir une vision. Et c'est cette association avec les gens-là qui est important. Association des autres personnes qui est tellement, qui va, qui va t'amener là-bas et tu vas arriver là-bas. Numéro 1, le courage. Numéro 2, c'est l'association il faut t'entourer il faut t'entourer avec des bonnes personnes, les gens qui vont te dire, non, non pas les gens qui te disent qui, qui tu crois tu es, qui tu crois tu es, faut faire attention, tu vas, tu, vas échouer. Si ne faut pas regarder les gens comme ça, faut pas écouter les gens comme ça. Les gens là, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont enlever toute la force en toi, ils vont enlever toute énergie en toi. Alors, faut pas regarder ces personnes là. Je, dis que les qui va, vous allez relâcher. Je dis, je ne vais jamais relâcher au nom de Jésus numéro 3. On parle de la communion, la communion. Et quand vous connaissez chapitre, et, on ne veut pas laisser. Quand nous regardons chapitre 4 de chapitre 4 de Jésus, nous allons voir la communion, la communion, la communion. Nous avons la communion. Il faut si vous allez être toujours en communion avec Dieu, et vous allez, oh Dieu, qu'est-ce que je ferai? Et à la fin, à la fin du chapitre, à la fin du chapitre 5, il dit, je vais, je serai en communion avec je suis le capitaine de l'armée de Dieu, de l'armée de l'éternel. La, communion va, va t'amener quelque part. La communion va t'amener quelque part au nom de Jésus. Et après ça, maintenant, est-ce que vous avez écouté, vous avez écouté l'histoire de Jéricho? Vous avez écouté ça maintenant? Jéricho était là et il s'était tellement un roux et les murs de Jéricho c'était vraiment grand et euh, Jésus a reçu l'instruction de Dieu et Dieu l'a dit, tu ne vas rien faire, toi seulement marche, ne fais rien, toi marche, marche, eux, eux contourne le, contourne Jéricho et ne fais rien, contourne et prie. Et si tu veux, tu vas lier, tu, vas te connecter avec Dieu et tu vas prier avec Dieu. Jésus a marché combien de fois, il a marché combien de fois, quest combien, combien, combien de fois, combien de fois il a marché, combien de fois ils ont tourné sur la, et il a marché autour de, de, de, Jéricho, de Jéricho trois, trois fois. Et maintenant, et les choses, beaucoup de choses. Et ils ont crié, crié. Je crois que les gens de les, là, ils crient beaucoup. Ils crient beaucoup. Oh, regardez, votre email ne va, votre email ne va pas écrouler les murs de Jéricho. Maintenant, vous êtes maintenant, maintenant vous êtes maintenant les, êtres là, quand ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié, et les murs de Jéricho ont tombé flat. N'importe que. Maintenant, je vous dis, rien ne va, rien ne va euh, m'arrêter, rien ne va me bloquer, parce que je sais que maintenant les murs de Jéricho maintenant sont tombés. Je vais avoir la, terre, J'irai la terre allaient, que ils, ils, ils, ils, ont rentré, ils ont rentré, mais ils ont conquis, euh, ils ont conquis maintenant une, une, ville. Ils ont conquis une ville. Il y avait, il y avait quelqu'un de là. Il y avait, quand ils ont conquis une seule ville là, il y avait quelqu'un dans, il y avait quelqu'un parmi eux appelé Akan. Je hais d'avoir un Akan dans ma vie, autour de moi. Et voilà. Et il y avait, il y avait, il ne regardait pas. Et un, ce n'est pas un visionnaire. Il n'avait pas une vision. Il ne, il est parti, mais il a volé, il a volé de, l'ordre, il a volé de, beaucoup de choses, il a gardé, il est parti garder. Et maintenant, quand il a fait ce péché-là, Dieu, Dieu n'est pas, n'est pas avec lui maintenant. Dieu et, Jésus a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit non, il y a un péché, il y a un péché ici. J'ai dit Dieu merci pour Jésus. Dieu, j'ai dit Dieu merci pour Jésus, Jésus a fait quoi Jésus a vraiment travaillé sur ça. Numéro 2, Numéro 2, euh, euh, numéro 8, je parle de la confession de Josué. S'il y a quelque chose qui veut te cogner, il y a quelque chose qui veut te dire que tu ne peux pas faire. Et, et la chose l'a dit, toi, on, vous parlez, vous parlez de, vous parlez de Cersei et on te dit, tu dois, tu dis Amen, tu dis Amen, tu dis Amen, tu ne peux pas arriver là-bas. Et derrière là, il y a un Akan. Derrière là, il y a un Akan, dans, il y a un Akan, un Akan dans ta tête, un Akan dans ton ventre, un Akan dans ta sac, un, arcane et dans ton sac, un Akan dans, dans ton, dans ton, dans, dans ton estomac, dans ton ventre. Alors, tu dis maintenant, je confesse, je confesse. Euh, quand sort de ma sort de ma bague, sort de mon sac, sort de ma de, de, mon sac, sort de mon ventre, sort de ma tête, et tu ils vont sortir et tu vas voir ça. Il y a des gens qui sont les gens seulement, ils sont en train de promener, ils, se, marchent comme ça, mais ils ont la condamnation en eux, ils ont la condamnation, ils ont le péché en eux, ils ont des ils ont Akan, ils, ils, ils continuent à, à, à, à, marcher avec et ils ramassent toujours quand ils marchent avec quand et quand en train de je vous dis que quand, pourquoi ils ne vont jamais reçu. Il dit, j'ai prié, prié, prié, le résultat ne vient pas. Mais Dieu te dit quoi Confesse tes péchés, confesse à quand et quand va partir de toi. Numéro 5, maintenant, je parle de la confidence. La confidence étant donné qu'Akan a été enlevé euh, et il est supprimé de votre vie, il est tué de votre vie, il est, il est enlevé de votre vie, maintenant vous devez avoir une, euh, euh, vous devez maintenant quoi, vous devez maintenant, vous devez maintenant élargir vos, vos, jours. Et Jésus a, dit qu'il a, eu la confiance, il a eu confiance, il a la, la confiance, la confiance, la confiance en Dieu. Et c'est le, c'est le qu'il a dit, soleil, arrête-toi et la lune arrête-toi, à l'est je vais finir la bataille avant que ça, et vous continuez à marcher. Et nous allons y arriver au nom de Jésus. Quand il a fait ça, il a fait ça, il a pu convaincre tous. Numéro 5, je, on va lire Jésus. Jésus Josué 11. Jésus Josué 11, Jésus 11. On parle de la, la consécration, la consécration ou bien l'engagement. L'engagement. Jésus 11, verset 15. L'engagement, Lévitique 11, verset 15. Il dit, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse le commanda à Josué, et ainsi fit Josué. il n'en mis rien de ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. Ce n'était pas celui qui choisissait et Il disait que j'aime cette doctrine, je n'aime pas cette doctrine-là de la Bible. J'accepte cette doctrine, j'accepte celle-ci, je n'accepte pas celle-ci-là, et j'adopte ceci, je n'adopte pas ceci, j'adopte ceci. J'aime celle-là, j'aime ça là, ceci-là a été écrit pour, par Moïse, mais ceci-là c'est pour la vie moderne. Il dit, tout ce qui a été écrit par de Dieu, Dieu ne change jamais. Il dit, Dieu a dit, je suis Dieu, il ne change jamais. Et tout ce qui est déjà écrit, et euh, Moïse est mort, Moïse est mort, mais ce qui a été écrit a été écrit pour nous tous et c'est pour toute terre alors c'est la parole de Dieu. Et si nous allons avoir le succès, nous allons être que nous allons avoir le succès que les gens de la Bible ont eu. Nous avoir la, nous, allons, euh, l'engagement. Et je vois les gens commis, les gens commis parmi vous. Où est les gens commis là-bas? Que Dieu amène cette, ce, ce, succès dans votre vie au nom de Jésus. Numéro 7 maintenant, nous voyons la continuation. La continuation, la continuation jusqu'à la fin la continuation jusqu'à la fin. Et dans Josué, Josué chapitre 23, et il a dit, maintenant j'ai presque allé, je suis presque arrivé là-bas. Si vous êtes prêts à servir Dieu, moi et ma famille, moi et ma femme et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Continuation jusqu'à la fin. et, et c'était le pas, c'était le pas que ces personnes-là ont suivi ils ont le succès. Et si vous allez continuer, vous allez, vous allez soumettre votre part à Dieu. Vous allez, vous allez vous soumettre à Dieu et vous allez, vous allez avoir le même, le même succès. Numéro 1, j'ai parlé de qui J'ai parlé de qui Numéro 1, j'ai parlé de qui J'ai parlé de Joseph. Numéro, 2, numéro 2 qui jouais Numéro 3 maintenant, je euh, euh, euh, chronique, un chronique, un chronique chapitre 4. un chapitre, 1, chapitre, 1 chapitre 4, verset 9, verset 9 et 10. Numéro 1, je parle la voix, la, la voix de, la voix de et, le les principes, de persévérance. Numéro 2, jabez numéro 3, j'abaise euh, la puissance de la prière. C'est le point numéro 3. Euh, la, puissance de la prière. Et nous les aurons cette nuit au nom de Jésus. Cette maintenant. Et, et la puissance de la prière. Numéro 3. Le point numéro 3. Alors il dit euh, dans un Chronique euh, chapitre 4, euh, le verset 9, il dit Et Jabez était plus estimé que ses frères, et sa mère l'avait appelé le nom de Jabez, disant Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Regardez le, fondement de Jabez. Et parce que et Jabez appela le Dieu d'Israël disant, Oh, si tu voulais vraiment me bénir et agrandir mon, territoire, et que ta main puisse être avec moi, et si tu voulais me, me, me préserver du mal, en sorte que je ne sois pas affligé, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et voilà euh, rapidement Qu'est-ce que nous voyons ici numéro 1 pour Jabez Nous voyons les, les fondements parentaux, oh, les fondements Quand vous regardez votre vie et vous dites que je sais, je sais l'argent pour que je ne, je, je, ne reçois pas, regardez la mère, ma mère, regardez ma mère, regardez mon père, regardez mon père, regardez le fondement de ma mère, regardez le fondement de mon père. Je vois qu'ils n'ont pas pu, je ne sais pas que c'était une malédiction, je ne sais pas, c'est une inimitié de la famille, je ne sais pas c'est quoi, et n'importe quoi qui était Jabez a eu un partage avec ça. Et même son nom a réfléchi, son nom a, a réfléchi de cette malédiction numéro 1. Numéro 1, je parle de quoi Le fondement parental. Numéro 2, on parle de la, la prière personnelle. La prière personnelle, numéro 2 de Jabez. Numéro de Jabez, la prière personnelle. Il y a, si vous êtes quelqu'un comme Jabez, si Jabez était, Jabez était là et dit, s'il avait resté et Jabez, a dit, moi, je ne vais pas prier, si je peux trouver, il avait dit, si je vais chercher, si je vais trouver quelqu'un à prier pour moi, alors, et, et quand je regarde euh, Chronique chapitre 1, je ne vois personne. Les gens qui sont là-bas, les gens qui sont là-bas, ils ne ressemblent pas, ils ne, ressemblent pas des pasteurs. Ils ne ressemblent pas les gens qui vont prier. Si vous êtes dans un lieu où les, toutes les personnes, toutes les personnes qui vous entourent, ils ne ressemblent pas à des prières, à des, à des, à des, gens qui peuvent prier pour vous, à des intercesseurs pour vous. Et ils ne sont pas là pour prier pour vous, pour vous aider. Il n'y a pas un prophète là-bas, il n'y a, a, pas un intercesseur, intercesseur, il n'y a personne là qui va prier pour vous. Et Jabez a dit, je dois prier ici. Mais on nous dit dans, dans verset 10, il dit que Jabez appelle le Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'il a prié. Et je vous encourage, les, les membres, de, les membres de la vie profonde surtout, il y a, il y a, certains, il y a, il y a, une de ces syndromes-là qui arrive aujourd'hui nous disons, chaque jour nous disons que prions Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il y a un, un adage qui dit que si euh, tu donnes toujours à un homme le, le, le, le, le poisson, le poisson, il va manger le poisson et revenir sur toi. Mais si tu lui montres comment faire la pêche, lui aura son propre. Quand il, son, son poisson est fini, il ira et lui-même est pêcher et avoir son propre euh, euh, poisson. Alors, je vous apprends à pouvoir, à savoir comment prier, à savoir prier, à, comment savoir prier, à prier et ça va aller, votre prière va toucher le trône de Dieu. Jabez a prié. Quel type de prière, quel type de prière Jabez a fait? Il a dit, oh Dieu, oh si tu voulais vraiment me bénir. Il a prié. Quel type de prière? Quel type de prière il a fait? Il a fait une prière positive. Les gens disent, laisse-moi mourir pourquoi je vis, je ne sais pas pourquoi je vis même. C'est mieux que je meure, c'est mieux que je meure que de vivre. C'est une prière négative. C'est comme ça les enfants d'Israël priaient. beaucoup d'entre eux priaient. Beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'eau à boire. Ils disent c'était mieux que. Pourquoi nous avons quitté l'Égypte C'est mieux que nous allons rester dans la paix. Regardez, on était en Égypte même. On mangeait, les, on mangeait de, viande, on mangeait de bonnes nourriture. On souffrait. C'est mieux que nous mourons ici que, que, que d'aller et d'aller d'aller à la terre promise. Et la manne, nous sommes fatigués de la manne. ils disent il, il, ils il parlait, or il, il, faisait des mauvaises prières, des prières négatives. Je ne vais jamais faire je ne vais jamais faire des prières négatives. Je ne sais pas à quoi t'as. Et toi, je ne sais pas avec, je ne sais pas pour toi. Tu fais des prières négatives, non. Il faut être positive. Il faut être dans ta vie. Marche dans la vie, marche dans la lumière, marche dans la lumière et regarde la promesse de Dieu. Je vais, vivre je vais vivre parce que je sais que alors je ne vais jamais je ne serai jamais immergé dans cette eau je ne serai jamais immergé euh, pris par cette eau et je vais vivre je, vais vaincre au nom de Dieu si vous allez être positif comme ça les choses vont tourner autour de vous et tout, défi, tout problème, toute montagne, toute montagne et toutes choses autour de vous vont tourner Et il dit maintenant, et il dit, et, et, et il dit, il quoi, agrandis mon territoire, agrandis mon territoire. Numéro, numéro, 3, numéro, numéro 4, euh, le, progrès personnel. Numéro 4, le, le, numéro 4 de Jésus est de, de, de, de, il dit, il dit, agrandis mon, mon, territoire. Ça, c'est quoi? C'est il dit c'est ça, je vais ceci, je vais ça là et ça là. Ils sont tellement, ils sont tellement généraux. Mais il faut être spécifique. mais spécifique, c'était défini. J'avais était défini. J'avais été, j'avais été particulier. Il dit agrandi mon territoire. Et il continue. Et numéro 4, il dit, et il dit, et il dit, et que ta main puisse être avec moi. avec moi. Et quand il dit, être avec moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de quoi? Il parle d'une association particulière. Euh, une association péculière. Vous voulez être en partenariat avec Dieu et tout, est tout, euh, tout, tout pas que vous faites avec Dieu, est-ce que vous voyez, vous savez qu'il n'y a personne qui peut défier Dieu. Il n'y a personne qui peut s'arrêter devant Dieu et défier Dieu. Alors si vous avez un, si vous avez un partenaire comme Dieu, vous devez rester, sûr. Vous devez être, si, si, si dans la nuit, dans, pendant le jour, il y a les démons là-bas, il y a les sorciers, il y a les ennemis, il y a les persécuteurs là-bas, vous n'allez pas craindre parce que vous savez que vous allez être sûr. J'ai dit, vous allez se reçu au nom de Jésus. Et cette, relation, cette association particulière, péculière, sera tellement importante dans la vie. Et voyez, c'est un moment où vous êtes, vous, approchez tellement clos, euh, tellement pro, euh, tellement de Dieu. Et les gens disent passant comme ça. Quelqu'un va dire, quelqu'un va dire passant comme ça, passant ceci, passant ceci, passant ici, passant là. Et tu vas dire non, désolé, je ne veux pas aller là, je ne vais pas aller avec vous. Et quand vous, quand vous allez leur dire que vous n'allez pas avec eux, vous pouvez même, ça bien arriver que vous allez perdre beaucoup des amis. C'est mieux que vous perdez ces gens-là et perdez ces amis terrestres et gardez Dieu. Est-ce que ça ne, ne serait-il pas bon, ne serait-il pas bon de préférer euh, perdre cet ami terrestre qui n'est pas et garder Dieu, c'est mieux. C'est mieux que je garde, je, garde Dieu, je garde Jésus-Christ comme mon, ami meilleur plus que toute personne sur cette terre. Quand, parce que vous êtes en association avec Dieu. Et comme, et dans le même verset, il continue et dit, et, si tu voulais me préserver du mal, me préserver du mal, ça veut dire que la protection permanente, la protection permanente maintenant. Il voulait que la protection de soit avec lui. Et si tu es avec moi, je veux que ta main soit avec moi. Je veux que tu me gardes de l'âme, me gardes du mal. Et ça, il ne veut pas, de, en sorte que je ne sois pas affligé si ça veut dire que quoi, il a une, il a une, un euh, engagement euh, de, de, de, de, de préservation. Il voulait quand je viens à la fin de la vie de ma vie, quand je viens à la fin de la vie de la journée, quand je viens à la fin au dernier jour que je vais passer sur cette terre, que je sois toujours avec toi et je, que je sois un, une personne qui a vécu avec une vision. Quand à la fin, je reviens à la fin de ma vie, je, vais, je dirais que Dieu merci, ma vie a été une vie de une vie remplie de, d'engagement. Je ne veux pas, je ne pas euh, regretter d'avoir vécu cette Je ne veux rien regretter. Je remercie Dieu que j'ai connu, je suis venu sur cette terre. Il faut avoir ce but-là. Quand on parle de succès, le succès, ce pas une chose personnelle, ce pas une chose d'avoir la joie. Je vais avoir la santé, c'est bon de voir la santé, je vais avoir la richesse. c'est pas seulement d'avoir la richesse, mais ce qui de faire. Il faut regarder le, monde, le monde qui est avec toi. Touche quelqu'un, aide quelqu'un autour de toi. Laisse un engagement, laisse une... Cette nuit, Dieu va me donner ce que je requeste. Alors je parle de la, prière, la prière dominante. La prière dominante. La prière, il a eu quelque chose. Et il a eu ce qu'il voulait. Est-ce qu'il a reçu Est-ce que Joseph a reçu Est-ce que Jésus a reçu Est-ce que Jabez a reçu Et si nous suivons d'après les pas d'après les pas est-ce qu'on va on va reçu oui d'accord bien sûr bien sûr c'est une c'est, une loi sur laquelle si nous suivons ce leur pas euh, on va avoir ce qu'ils ont eu on va l'avoir au nom de Jésus j'ai dit qu'on l'aura au nom de Jésus combien de personnes a écrit quelque chose sur leur papier que je vois ça ah, ah, levez-moi que Dieu bénisse voyez vous connaissez quelque chose je me souviens quand j'étais à l'école je prenais notes dans tout ce que le professeur me parlait, je prenais notes Mais si vous, vous posez où j'ai déposé ça, j'ai dit, je vais, je, je ne sais pas là où ça se trouve. Parce que je sais que toutes ces notes que j'avais écrites, vos notes que vous avez écrites, ne jetez pas ça. Quand vous vous levez le matin, vous dites que c'est ça, c'est le jus que l'éternel a fait. et là, dit, je n'ai le jus et me en joie parce que c'est aujourd'hui que je vais avoir. Et vous allez à travers tout ce qu'ils avaient écrit 1, 2, 3 et ça va arriver. Et le jour suivant aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. et vous faites quand j'ai fait la même chose, j'ai fait la même chose aussi. Quand vous aussi faites la même chose, je vous verrai en haut. J'ai dit, je vous verrai en haut. Pourquoi ne pas vous mettre debout On va prier comme Jabez. Vous prier comme Jabez. La prière, la prière, la, puissance de la puissance de la prière. Je vous donnerai un moment, un temps durée pour pouvoir prier. Et vous allez dire, au oh Seigneur, aide-moi. Maintenant, le temps, la vie commence je dois avoir ceci, je dois faire, je dois faire ça la marche de ma vie. Et je j'allais dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dit que je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et Dieu va te bénir, il va te bénir. Et il ne faut pas t'inquiéter de la persécution. La persécution qui va arriver, tu vas percevoir, tu vas persévérer, tu vas, persévérer. Tu vas persévérer. Il faut dire Dieu, Seigneur, je serai avec toi, je serai avec toi n'importe quel problème, n'importe quel défi qui vient de moi, ça je ne veux pas laisser que cela me déçoit, cela m'affaiblit. Tout ce qui vient pour me paralyser, tout ce qui vient pour me paralyser, j'avance vers le vent. Rien ne, va rien ne va me bloquer la voie, rien ne va m'arrêter. Par la grâce de Dieu, la tentation viendra. Mais tu diras, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta grâce, je vais m'arrêter, je vais me tenir je te devant Dieu, devant te dire dans ta parole, n'importe quoi que soit, quoi que soit la tentation, quoi que soit le problème qui viendra en moi, je me tiendrai jusqu'à la fin. La persévérance de la bonté. La persévérance de la bonté. On peut vous revendiquer, on peut vous payer, on peut vous payer n'importe quoi qui est mauvais. Quand vous voulez faire que ce qui est bon, on en retour, on vous paie mal. Vous persévérez, persévérez, ne soyez pas découragé. N'abandonnez pas. Ne disez pas que tout cela c'est trop, c'est trop. La chaleur est trop. Je ne peux pas faire le but bien encore. Faut pas dire ça. La persévérance de la bonté. Et aussi, il faut poursuivre votre but. Et c'est ça, c'est ça la chose que je dois faire. C'est ça la, seule, la seule chose que je dois faire. Le courage le courage de Jésus l'engagement, l'engagement, l'association avec la vie, la, la communication avec Dieu, la confession. Il y a quelque chose là-bas, confesser. Est-ce qu'il y a une erreur là-bas, confesser, laver, purifier par le sang de l'agneau une vie claire, une vie lavée, une conscience claire. La confiance, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la confiance à la parole de Dieu. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Dieu, je crois. le, dévouement, le dévouement, ce devoir à Dieu. Continue. Dieu dit continue. Jésus dit continue. Continue n'abandonnez pas, continuez. Ceux qui sont arrêtés, ceux qui se sont arrêtés à, mi-chemin, ils n'ont jamais reçu. Il, y a petite, problème, euh, un petit problème qui arrive dans leur vie, ils abandonnent. Un petit défi, ils s'arrêtent un petit mécontentement. ces personnes-là, ils s'arrêtent, ils, ne vont jamais reçu. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui continuent. Continue. Il faut t'arrêter. Tiens-toi tiens avec Jabez. Une prière positive. La prière euh, du progrès personnel. La situation Et ne laissez pas n'importe quoi qui vient, que rien ne vient vous séparer, rien ne vient euh, entre toi et ton Dieu. L'association péculière Priez aussi pour la protection permanente. Seigneur, je veux être sur ta protection. Je veux faire ce que tu m'as appelé à faire. Je veux avoir ce que tu m'as, ce que tu m'as ordonné de faire, d'avoir. Et maintenant, nous avons la préservation pour un objectif. Seigneur, accomplis dans ma vie. Croyez ça, croyez ça et ça sera fait. Il ne va jamais vous échouer. Ses promesses sont oui et amen. Et, amen. et ça ne va jamais échouer dans votre vie. la prière dominante. Au nom de Jésus, nous prions. Je veux une amène de Pentecôte. Au nom de Jésus, nous prions. Ça, c'est je remercie Dieu, c'est gloire à Dieu. Si vous pouvez mettre seulement et vous mettre dans votre si vous pouvez mettre votre main dans la main de Jésus, il va tenir votre main, il va prendre votre main, il va vous amener n'importe quoi que soit la hauteur de cette montagne, la situation soit, quand vous mettez votre main dans la main de Jésus, il va vous amener n'importe où vous voulez aller. Il va vous amener en haut. Et vous n'allez jamais à retirer votre main de sa main et dites à Dieu, je commets ma vie en toi, je somme ma vie complètement à toi. Tout n'importe quel péché, toute quelle iniquité, quelle, quelle mauvaise chose, quelle ma vie, Seigneur, prends soin de ça et pardonne-moi. S'il y aura, a un péché ici, si tu seras euh, euh, pardonné. Baissez vos têtes et les yeux fermés maintenant tu, mets ta main dans la main de Jésus, tu mets ta main dans la main de Jésus, tu mets ta main dans la Jésus. Je vais te voir où es-tu maintenant. Tu dis Seigneur, prends ma main. Je décide de te suivre. Je décide de, suivre Jésus. Et je vais suivre Jésus. Je ne vais jamais laisser la main jusqu'à ce que je j'enlève encore. Où es-tu Où es-tu maintenant Lève ta main, que Dieu te bénisse. Et quand tu as un péché dans ta vie, tu vas le confesser. Tu diras, parce que tu veux commencer un nouveau un nouveau voyage avec Dieu et tu diras que je vais commencer avec ceux qui maintenant, maintenant, maintenant que Dieu vous bénisse, ceux qui ont mis leurs mains en haut, maintenant je vais prier pour vous, maintenant viens devant, viens devant, viens devant, viens devant que je, je t'espère, je t'appelle, viens, viens, viens. Je suis content de vous, viens, viens, viens. Venez, venez, venez, venez. Vous mettez votre main dans la main de Jésus et vous dites, je vais marcher avec toi. Vous dites à Jésus, tout, tout péché que j'ai commis devant toi, euh, euh, pardonne-moi. Maintenant, je, vais suivre, je vais marcher avec toi. Seigneur, Seigneur, Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi, élève-moi, élève-moi, élève-moi. Une nouvelle vie commence, un nouveau voyage commence. Le passé a été, euh, a été, euh, euh, a été ôté. Ton passé est ôté déjà maintenant. Toute, condamnation, tout péché, toute iniquité, tout ce qui est dans ta vie est mauvais, Dieu enlève ça maintenant et tu dis viens, viens, viens, viens, Viens, venez, venez, venez. Dieu fait quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie. Et tu vous dites à Jésus maintenant, je mets maintenant ma, main dans la main de Jésus. Je mets ma main dans la main du Sauveur. Je mets ma main dans, la main du Sauveur, du, du Master, de mon leader. Et maintenant, vous allez, commencer une, une, une voie, un voyage tellement géant. Et Dieu le fera avec vous je vais vous dire que quelque chose maintenant est en train d'arriver, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je dis que Dieu vous bénisse, les, les âgés, les jeunes, n'importe qui, que Dieu vous bénisse. Et, nous, cette nuit, nous allons prier et cette nuit sera une nuit de bonté, que tout péché que vous avez commis, Dieu le pardonnera. Jésus est mort pour toi sur la croix du calvaire. Et, à, euh, partir de cette nuit-là, rien ne va jamais arrêter ton, voyage dans est ce que je, je peux avoir un bon amen? un un amène confident. un amène, un que Satan ne peut jamais contredire, Levez-vous en haut et dis, lève ta main et dis, Seigneur, je, je, donne ma vie à toi. Seigneur, au nom de Jésus, je te remercie pour mes frères et sœurs euh, euh, ceux qui sont les, adultes, les, jeunes, hein, je te remercie. Je prie que Seigneur, ils enlèvent leurs mots, pardon leurs péchés au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu va donner témoignage qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Leurs vies sont transformées. Papa, Seigneur, transforme leur vie, prends leurs mains et traverse-les sur toute montagne au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous mes frères et sœurs, je les verrai de l'autre côté. Je les verrai en haut là. Rien ne va jamais le retarder. Ils vont continuer permanemment avec toi, marchant avec toi au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, en Londres, Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes content Qu'est-ce que, que faites-vous quand vous êtes content à Londres Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, n'allez pas, n'allez pas, ne partez pas encore. Ne partez pas encore. de par samedi, de le samedi, Sandy, il viendra et le soleil va briller sur vous. Avant que vous n'allez, maintenant vous êtes malade, je prie pour vous. Vous n'allez jamais prendre votre maladie en haut, et euh, à la maison encore et vous avez un défi dans votre dans votre euh, dans votre vie euh, vie personnelle euh, de business n'importe vous n'allez jamais amener ce problème à la maison encore je prie que tous ceux qui sont venus ils se sont donnés à Dieu je vous dis que quand je suis venu ici là aujourd'hui, je viens ici une seule fois, je viens ici une fois, maintenant je viens, je pars. Quand je vais revenir encore, je vous verrai tous ici au nom de Jésus. Gloire à Dieu j'aime bien, j'aime j'aime bien de voir vous tous. Vous avez de bons visages. Je viens jamais voir. Et Dieu verra. Et tout ce qui est problème de votre vie, lève ta main en haut et mets l'autre main sur la partie où vous sentez le malaise. Et je vais prier et cela va partir. Père, au nom de Jésus, je prie que Seigneur, que tu, tu, tu ôtes tout euh, joug. tout c'est tout joug leur vie, tout joug soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, toute attaque, toute affliction dans la, dans la nuit, dans le jour, je, viens contre toi maintenant et dans le nom de Jésus et je prie que, toutes ces choses dans leur vie, je commande dans leur vie, elles soient au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, guéris ton peuple et délivre-les de toute attaque et de toute affliction au nom de Jésus. Et je prie que Papa confirme leur euh, délivrance, confirme leur, euh, leur salut, confirme, confirme leur guérison au nom de Jésus. Et qu'ils auront tout ce qu'ils ont voulu de toi au nom de Jésus. Papa, confirme ça dans leur vie. Et je sais que c'est fait. Je sais que, je sais que c'est fait. Je le parce que je le avec ton peu parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, je suis béni. Je dis, gloire à Dieu, je suis béni. Je suis, je suis guéri. Gloire à Dieu, je suis délivré. Car Dieu, je, Dieu a écouté ma prière. Et tu ne seras jamais de même. Merci. Que Dieu vous bénisse.